Nous avons fait des tey pour poursuivre suñu convocation Nous avons fait direction générale nous concernant notre prime de salissure avons fait une requête euh, au niveau du tribunal du travail pour que suñu société fasse une prime de salissure en premier instant nous gagné mais nous à la suite ils ont fait un euh, appel ci appel au lieu d'attaquer euh, li nga xam ne ñun ñun mais ils ont attaqué la qualité du mandataire c'est-à-dire qui nous doit défendre ce dossier bi c'est-à-dire euh, le mandataire bon monsieur Robert Mané les ci loolu nous avons dit, monsieur Robert Mané ce n'est pas un mandataire de la mécanique générale raison pour laquelle euh, ils ont infirmé notre première ordonnance C'est une première ordonnance vous, bon jotoon nañ ko exécuter D'accord, nous fay ñu suñu prime de salissure suñu un rappel sur 5 ans travail bu ci nek presque 245 wa légui tay Dakar nam dafa def appel les ba mu fait appel mu ne gagné donc ñun devons wara rembourser prime bi raison pour laquelle mu convoqué tous ces travailleurs là on est au nombre de 128 travailleurs ñu xamné mom la leen convoqué mu ne dañoo dañu wara au tribunal pour nous juger à ce que nous ñu rembourser remboursé leen prime bi prime bi bon prime bi képp pour que convention mécanique générale de salissure ak mécanique générale général, donc nous travailleurs Nous avons 17 ans, nous di nous ah, parce que les portugais c'est les européens Nous, nous suñu euh, code du travail donc nous, ñi nga code du travail Nous avons le code du travail Nous nous parce que nous, nous ngi réparation navale Nous convention réparation navale prime c'est 4100 francs pour chaque mois 4100 francs pour chaque mois ba ñu prime en 2016 parce que prime ba ñu ko en 2016 ils ont fait un rappel En 2013 ont arrêté donc 2014 2015 2016 ils ont fait won 3 ans ba presque ça fait 7 ans Ils ont fait un rappel au prix prime bobu.

pendant 7 ans 4100 francs ça fait 300 et quelques mille Wow. sur euh, bon actuellement on est 128 personnes mais il y a d'autres aussi qui ont qui sont venus parce qu'il y avait des retraités qui sont partis et de nouveaux qui sont venus et il le doit euh, toujours de l'ignorer le prime il y a aussi euh, le problème des élections du délégué du personnel depuis deux ans nous sommes top pour organiser l'élection. parce que nous mandat jeex et à chaque fois chaque trois ans direction de organiser élection de délégués du personnel bon euh, pour organiser l'élection, nous ñu organiser nous mandat de continuer mais quand même légitimité est ci moins parce que chaque année des jeunes qui viennent et qui sont ambitieux pour nous le relève euh, avant ces syndicats syndicat raison pour laquelle nous continuons top pour nous organiser l'élection. Nous nous aussi euh, aussi aménager le bureau syndical parce qu'on doit aller au congrès donc tant qu'élection, élection yi defuñu donc euh, au congrès et vraiment on a des jeunes ambitieux qui veulent intégrer le syndicat Nous avons une autorité nous avons jàppale appelé Dakar à la raison Nous avons chaque trois ans nous dem organiser des élections des délégués du personnel je crois que nous avons un un ex parce que ku la société nous avons xam la charte la et vraiment nous avons lancé ce message aux autorités Nous avons constaté la société bi bo xolé bu baax lepp lu fa nek comme infrastructure Sénégal moko mom travailleurs yi ay sénégalais lañ donc privatisation bi ça se limite qu'à la caisse portugais yi ñoom caisse bi rek la raison pour laquelle ñom lepp leen mëna indi xaalis rek mom leen intéressé waaw suñu condition de travail ça les intéresse pas suñu avantage ça les intéresse pas waaw donc raison pour laquelle nous disons que comme ñom sen mandat mu ngi dem ci ñu bëgg autorité, nous ñëw gisee ak ñu waxtaan ñu société nan lay une société sénégalaise waaw mënuñoo dëkk ci ay privatisation je crois que caisse ñëpp a ko war a mën a gérer ku gérer liggéey 2024 la war dire. Wow, waaw 2024 donc dès maintenant war nañ mën préparer la relève et nous euh, les travailleurs sénégalais nous avons ñaan état nous mu envoyé des experts comme nous nous dañuy préparé ak préparer relève il n'en est pas question donc si nous personnel un personnel, nous avons une société ay